2, 1, 0. Télécours, télécours, c'est tous les jours. Plongés dans un monde pourri, c'est les faits qu'on victimise. Ils nous massacrent de trop et nous font un bain d'injustice. Mais où es-tu la justice Revendiquer ces droits à ce que je sache n'est pas un crime. Ils connaissent pas la valeur d'un étudiant dans un pays. Ils connaissent pas la valeur d'un étudiant dans un pays. Bonjour et bienvenue dans votre émission Tout la Fada, magazine hebdomadaire dédié au quotidien de la jeunesse Niger. Le numéro de cette semaine traite encore du sujet de la pandémie du Covid-19, cette maladie due au coronavirus euh, qui sévit dans beaucoup de pays dans le monde, mais aussi au Niger. Cette maladie du Covid-19 bouleverse notre quotidien avec des restrictions et un changement radical de nos habitudes. Elle a aussi des impacts dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement au Niger. Alors, Arangoma, Kalang, Kalang, Kalang, tout ça, la fada est confinée à la maison et nous sommes à Karokano. Donc, facile soudeur Fogono. Rabi Ma Binom. Dans cette émission, a en première partie brossé un état des lieux de la situation avec notamment les mesures prises par nos autorités de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités académiques sur toute l'étendue du territoire national. Et ce jour, pour éviter les contaminations de masse au coronavirus, pour prévenir et éviter la propagation de la pandémie Covid-19, les plus hautes autorités du Niger ont décidé de la fermeture des écoles du 4 au 18 avril 2020. Renouvelable, mais qui parle de suspension académique parle aussi des diverses réflexions qui tournent autour de cette problématique, de ce que cela entraînera sur le système éducatif et des alternatives à trouver, car il y a une année scolaire à terminer et des examens de fin d'année à passer. Conséquence de la pandémie du Covid-19, sur la suite de l'année académique, comment sauver l'année scolaire 2019-2020 Tel est notre thème du jour. Nous avons 35 minutes pour en parler avec nos invités triés sur le volet. Vous pouvez aussi participer à l'émission à travers vos témoignages. Quelques pauses musicales et aujourd'hui une toute nouvelle rubrique. Dans cette émission, l'artiste s'exprime Covid-19. Restez avec notre compagnie, ne zappez surtout pas. Vous aurez aussi la chronique avec Mr. Olivier. comment tu vas Ouais, grand frère, je vais très bien de ton côté. Ah, je vais très bien. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui Ce soir, on va se poser une grosse question. Quel rôle peut jouer la technologie dans la gestion de la pandémie de coronavirus Super, voilà le décor est planté. Tout à la fada, c'est parti. Les 10 ans gentlemen. Ma binôme Rabi, comment tu vas Tu pètes la forme euh, Je veux bien, Dandy, et toi Alors, est-ce que tu peux localiser euh, où nous sommes actuellement à, euh, au siège du studio Kalangu. On est un peu en face du FAFPA, je ne sais pas s'ils connaissent bien le FAFPA, sur la grande latérite de Kwarakano. Super On est confinés, tous à la confinés fada. à la maison. Sans sortir s'en sortir. Conséquence de la pandémie du Covid-19 sur la suite de l'année académique. Comment sauver l'année scolaire 2019-2020 Tel est le thème de notre discussion du jour avec nos invités. Je suis avec M. Isaka Omaru Sinaseb. M. Isaka, vous allez bien Je vais bien, bonjour. L'école nigérienne se porte à merveille Bon, apparemment pas, hein, parce que si on parle de suspension de cours, on ne parle pas de... Ça ne tourne pas comme on veut pour l'instant. Nous sommes aussi avec le camarade Moukela Ibrahim, il est le secrétaire général adjoint du comité directeur. Alors camarade SG, comment tu vas euh, Je vais bien. L'émission est jeune, alors je peux t'appeler Style Vous pouvez m'appeler Style Comme je veux. Je suis aussi avec le camarade de Albadé Omar, le secrétaire général de l'UNUN. c'est l'Union des étudiants Nigérien à l'université Abroumou de Niamey. Je te souhaite la bienvenue, Omar Albert. Merci, euh, je suis très content aussi. Nous sommes aussi avec une demoiselle, c'est avec sa voix que nous avons fait l'entrée sur cette émission. Zainab Zakou, je peux l'appeler la rebelle, mais elle n'aime pas ce nom, mais l'émission est jeune. Zainab, je te souhaite la bienvenue. Merci, Zainab est la présidente de Jeunesse Plus. Jeunesse Plus, les jeunes se portent à merveille. Mm, plus ou moins. Super. Nous démarrons avec notre première série de questions. Avant de commencer avec nos questions, on écoute les recommandations de quelques jeunes sur comment sauver l'année scolaire. Ils ont réagi sur le numéro WhatsApp du studio Kalangu. Même si on est contrainte à une situation désastreuse, pour moi, le gouvernement devrait vraiment songer à limiter les dégâts, de voir comment gérer l'année scolaire et bannir complètement <laughs> l'année blanche. <laughs> J'aime pas ou <laughs> non, non, j'aime pas savoir. On doit organiser des cours de renforcement, des cours en ligne, même si on peut le dire, quoi pas. Des mesures doivent être appliquées pour euh, vraiment sauver l'année scolaire. Je dirais, si possible, l'État peut faire en sorte qu'il ait des cours en ligne. Si, si, si les cours en ligne ne sont pas aussi possibles, l'État peut organiser les examens. Pour ceux qui sont en classe d'examen, bien sûr, l'État peut essayer d'organiser les examens en fonction des chapitres qu'ils ont déjà faits. Et ceux qui sont en classe de passage, l'État peut utiliser juste euh, le devoir qui ont déjà été faits pour faire passer les élèves. Camarade secrétaire général euh, du comité directeur, comment est-ce que vous vivez euh, chaque période de suspension des cours ga bari bata ga mamat kano ir cewai wo ga yin wankan ir yunifone kwai ga sanka sambo ne bon ir ga no cinara yirbande eh, wara eh, labo labe si ni haran jirbande irne je labo dorizu futo kaga tuyarda wani wose irjin fone ina sankan samu kanga il lokale dabu habu yinka habu yinka banda yega ne ge ga lokale dabu yon tuti am ko jine amma wani wo agala ka tunne zama eh, lokol jirai handu gano yani nga handu garamo da handu fosino igoga semenin semenin ka sarandi lokolo si te monno ma hanno ngel lokolo larandi eh lokolo aga loru lokolo aga chabu yani nga aga dirgi ci siri donc er dionga mat kan jin bore himga ngati el gomnato ima sanken samu ima fondi yan samu kanganan lokoli zai juro am sara kan ni ane blanchuna to ya dinga euh, euh, ma ne irge kan ga stil na irim nan sina seba isaka umar ngumo amdu sanni kan atonan irga euh, di situation kan igog vivre kuna misali ga ninno gogo seba représenter sina sebo dirne sambu syndicano kan ga eh, sinasebo sandikano kara cawandikay go bayir niger labo cawandiko kambuyinkano gono cawandikay mm. kan zinganda gwamnato kan sigene zingay zay zinganda wo kayango gwamnati kan goga kan fonctionnaire donc syndicat e eh, sinasebo sandikano kara ko kanandi hinkadin kulgo irisi Sichawan, kala école kaynayra kan sigine primaire ah, to son aramo mutkinano situation o arangoga da to en tant que cawandiko ni bay irga ba ma boray famandi za hal doro ga kabumbo irwo do har kambo kay nay do har akaga lokolo gar gandano ago ziya so dori wone ye ka ye ka in, ina cawo gayi yadi nga irwo gane ka hasaro bambatano kagate ir niger bu lokol nay se ir bumbo mo kangati cawandi anirgar uh, hala doro ka mbo asaban dir go masalara zama sabanda ir hangisinai kan te kana ni zangu bo magar wayya ko wahaku handu kag bu isudunge banandai lokaci kan himanda wone rano e irgo kan izu futai igo gir hangisinai wi wodi rano irgo kan dori wone yega ka ko ne yega chawo gai ko ne ine borai mi yefu albade ne maka ne ha problème gon wala les cours aussi ont été suspendus à l'université de Niamey comment est-ce que les choses se passent là-bas euh, merci vraiment. J'aimerais rendre d'abord un hommage mérité à nos soldats qui sont en train de se battre pour nous protéger et aussi prier pour que tous ces malades-là du Covid puissent retrouver la santé. Par rapport à, cette euh, rupture ou à cette interruption des cours, en tout cas, c'est quelque chose que nous vivons très mal, surtout que notre université vient de très loin. L'université vient un retard légendaire depuis des années et qu'actuellement on est sorti d'une grève de deux mois des enseignants-chercheurs et tout ça on arrive encore là l'histoire du Covid, on ne sait pas quand est-ce que cela va finir. Ce qui est un très mauvais présage, non seulement pour l'avenir de notre nation, puisqu'on sait que c'est par le savoir, c'est par la connaissance, l'éducation que les pays se dépassent. Et que si aujourd'hui on est à la traîne, c'est du fait de l'insuffisance ou bien du manque, n'est-ce pas, de l'inefficacité de notre système éducatif. Et donc je pense que cette situation doit interpeller tout un chacun. Et il y a des solutions qui sont en train de voir le jour et nous allons en tout cas chercher ensemble des solutions pour pallier à ces problèmes problème-là Nama ane solution sont en train de voir le jour Zainab la rebelle. Camarade Albert Nonichi, tono le colisano. Indini chak fa carrière namo ci chair chapa char sen ne sekan solution gon kan yaran gogo da nous en tant que le colisano be kan le colo am jeng ko di jini ngodi asla bo nafa. To solution yora il faut non ni ne kandir sen kone émission oban. Zainabou Zakou. Alors euh, merci beaucoup. Euh, nous, on a une ONG qui s'appelle Jeunesse Plus. Euh, on a pour mission de veiller sur l'éducation et de contribuer au développement du pays. Donc, euh, comme lui, il a parlé de solutions, nous, on a pensé à faire euh, une activité, une émission euh, avec pour nom Télécours. je vous ai parlé de ça. Donc, Télécours, ça va concerner les candidats, ceux qui sont en classe de troisième, la terminale A, la terminale D. Donc, on a cherché des enseignants. Dieu merci, on a eu des enseignants. Euh, ils sont d'accord pour euh, nous accompagner dans ce noble combat. Donc, euh, on a contacté le ministère des enseignements secondaires ils nous ont demandé des fiches techniques de chaque enseignant et les références. On leur a envoyé. On attend juste euh, leur euh, permission de, de faire euh, l'émission. dans le but d'occuper les élèves. Certains enseignants ont initié des cours en ligne, notamment sur WhatsApp. Zakari Djori Amidou explique la procédure au micro de Soumela Ousmane. Euh, de l'impossibilité de rencontrer tous les enfants, euh, nous avons créé des groupes euh, WhatsApp. Donc, on prépare les cours, on fait un résumé de cours, on balance dans le groupe. Les enfants lisent et en même temps, on revient pour traiter des exercices. On traite les exercices, on corrige, on les balance. Maintenant, les enfants, les enfants vont essayer. Au cas où il y a quelques-uns qui ont des difficultés, encore, ils posent leurs questions sur le groupe et on essaie de débattre. En tout cas, c'est comme ça que les cours se font maintenant. Bon, pour l'instant, quand même, ça va. Ça va, puisque quand on fait les cours, on leur donne des exercices d'application. Une initiative très bien appréciée par les élèves. Ils sont au micro de Soumela Ousmane. on nous envoie les des leçons. On fait même parfois le professeur peut envoyer le cours qu'il n'a pas pu faire, mais il, nous envoie ça, il nous dit de recopier ça même dans les cahiers. Uh-huh. Maintenant, au cas où on aura repris, donc il va seulement expliquer. Donc, ce nouveau mécanisme, uh-huh. ça nous permet même. Euh, ça se passe avec les professeurs qui sont euh, sur place et puis ils nous envoient les cours euh, directement sur le WhatsApp à travers des explications et des documents qu'ils nous envoient. On voit les exercices, on corrige ça sur les papiers, on prend photo aussi, on les envoie à la correction. Et aussi, ils vont regarder la correction pour voir s'il y a des insuffisances ou bien il y a quelque chose à augmenter. Et aussi, ils nous expliquent à travers les vocales aussi, on arrive à comprendre petit à petit. Camarade style, ne la l'école zaidani chidani mamu kan senyenge ni ino kuro kanga gifur class ora guno une heure de temps odi whatsapp no nga guga sambala ci mat chinano no ne di tere woni wonga eh woni wo tera wo kan isintin silmai kan dai arama bai kan eh, ak wajib gwamnati gano irgi fune ga aga wajibi gano im wani wote ima samu te ngai muradu kanga nan mantulla koli zai hinna kan go Eh, lokol kara ig bana senigat moni yango kan go di eh, ayo ege lokol fo bay hali hinka kan ge hala corona sintin mbura kan inte misa la nation ininge lokol zey tang ikwefu fu amma in tablet yan dai danga telefon biren tablet yan danga telefon na ge mai bere din kan ifai zan kai se abono metro go fu metro watuna ka lokol aka agoro kala sura watkulu eh, aga aga salanda zan zankai zan go fu babai go no kai goga ngai wan tablete de a kura te ise amma wadi wo dan bore kayan kan bai to bandairano yani ga gumnato himono ama e eh, sankan sambo amma fondi yan kan kangana lokoli ze go ira eh, sajera zaman ti ne wonya mai noti ira wana masala bore kayan go kawera kanyan sindu kuran kanyan sindu tele kanyan spective ifo tablet bore di bai mata ciki sambu kanganan ibreo kan go galle ram sugi furijine yaringa woni o goy hanano zama lokolo mat kan ma sonda e telefoni ci lokol har har no kan da kai borakul borakul sanino zam de lokol sigiti is e zu bere ko koniyan kan suba da masala wodu makariga iga yan sambu fon fondiyan yan kan ga bai ifono woni o bonza bore misal ga dole kolo kafana da bo kulno ga kafana dole kolo kafana iyo gukundora mm. asifata yanga iyo mungusi baga yusigi mate <laughs> kamara lisiname zero musano kugu alo ne minasa nifo msho isaka umoru aran chalai ina ngai no fondo da fondo yan sambu kangana aran goyo aran musa gai bere kul kango aran se ba kan se gomnato no fondo ne o sambu pour kang mala biza lasi arne aran aran continue kure aran gisam whatsapp mamu sonda sg comité directeur ande man tinge masala man tinya mai bore to kore kan go staji fim bora kan sibe an kan whatsapp kan sibe an kan kati e telephone kan sibe an kan connection fondon do fondo fondo aro ara sambi c'est pour que ha am labi am to labo kura to eh ir garan fondo goy eh wallahi ma chawandi ko ya ngande localisien ikande i ma chawote whatsapp ne bay irwo iri wo kay ba bore fam da dagiti ir wodo har kambo kai kaina nirga wandi amma ay wodi solution ai kulkan sanga hansi ai kulkan boray go kande hansi no kan magar lokoliz ay zangubon astobai i wayaga yadin ga hai kulkan manti na naga kande zamir niger la mai retirara imanne kala zankai kul kan go niger ikul ganda fondo gwamnato mi kyawandi yadin ga da dorika kan ganan lokolo site mi ga hansi yanke kan magar zankai zangubon iwa ya hinnan wodin mo irdi kan sanga igine wodin se fayank fayank igina gina se bara bara zamun kun din nyamai zankai go kyau nyamai kan boga zankai sigi kyau walmo eh, nyamai zankai go kyau sajo ra zankai isigi kyau wodin halaka son lahani ban batano donc il faut que irmu ke solution solution kan ganan lokolize me ame irsi ba localize kul jang chawyango askanirse amma solution kul kan manti localize me amena ga guna localize kan go sajira iro irsi chawani kan local kain kainera ay le kam barkan go préscolaire, zan kan gon kan prescolaire nigo afon gon seyi nigo seyi zi isin go kurta se whatsapp ga isin ga ta se telephone ga isin ga ta se tele ga isin ga ta se radio ga solution ce ci jin kain fonier da solution irga ce ci gin fo o irga ce émission wora irgi fonde de fo irgi di hay kan irgi hin gite kan solution ir niger la bo zan kay kulse amma halaka son ay wokai wokan ay ma solution ay kan ma boray goga ce ci kulu har no kan ir niger la bu localiser ra magar kan bon zango bon i waya hinno wodi mo ir wodo har kam asara hanse asir hanse asir localiser mo hanse asir localiser hanse asir la bo bumbo hanse to salo bang hmm. zainab ngandal bade musique nur gangan apre ge karam waram kandaran kam sanno musique mo kirga hangan matker don ga bayda musique nur daranse mais plus que dori iri zo ir niger labora agoga sarauce irne irmo irga artistai kai yan ijinda ga to jeune ga irgi sambuguda emission ora pour que mo nge mom kande nge kamu kokoro han kanse gine sensibilisation fondo woni ora no ko di artiste kanse gine fenobi fenobi phoenix feno yan ga irmo hangan gama feno se rubrique ma ma yokati covid 19 l'artiste s'exprime et tout de suite la suite Face à cette pandémie du Covid-19, les artistes nigériens se mobilisent et participent activement à la campagne de prévention contre le corona. Views. À ce titre, plusieurs messages, vidéos et clips musicaux d'artistes circulent actuellement sur Internet pour parler de la maladie et les moyens de la prévenir. C'est donc dans cette idée que nous irons à la rencontre de certains artistes parmi les plus charismatiques de la musique urbaine au Niger pour nous parler de leur engagement pour la lutte contre le Covid-19. Il faut rappeler que cette rencontre avec nos stars de la musique s'inscrit dans une rubrique de votre émission Tous à la Fada l'artiste s'exprime Covid-19, l'émission qui parle du quotidien de la jeunesse nigérienne sur le studio Kalangu. Nous recevons ainsi et comme premier invité pour cette rubrique un vieux de la vieille école de la musique urbaine Made in Niger qu'on ne présente plus. On l'a connu sous le nom de FENOBI leader du groupe Kadangaskia 1 puis Kadangaskia 2 et aujourd'hui en solo sous le pseudo de Phoenix FENO On lui souhaite la bienvenue FENO, Comment vous allez euh, bonsoir, Dondi. Phoenix Feno. Phoenix Feno. Crois-tu à cette euh, maladie Oui, Doro d'Anda, Zama Ijin Borei. ina ngai euh, labarin tonan da Boré, dokan borai mahagoi da doro amsu alanda ba ya dinga da sino e siti bore siki bore gono i masinan doro madi ke bi

bokum no sont imne adu amma kan ijin agono ils kan agono amma bon hagoy Puis Phoenix Feno a déjà apporté dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Euh, to doro bonza amsi la tonandi hayo gaxe yangonu kan ikte excellentele ra i eh, irin boyan sambu kan yan salantele ra e eh, go salan rezo sociaux bon eh, fu de courir ra mo go bore yamar bore minge bon Hagoyi bore sugo kite hanga sandai donc i kan de vraiment i gaxine il faut di fon sanni non kan de réseaux sociaux din gihin masu fata Mastabo tabo fom kando mace ci mota kunkumo kadan mm. watukul din fatta din koy tagay din koy kirborera din ye ka fu hannig fugni alma ya lora nimin kamba nyim safun kalama hanan wala nim koy pharmacie ra nim du likido ni kan sigine idura alcoolique te fonu nu gonda furta jega te ka sanni bananta bore ku kan hangan feno bi phenomenal c'est bore ku kan nu bay kan nu musique ko hangan le message de l'artiste. Euh, fukta yede ege ngware igano ima hangan nge no kati iri labo suba ganjo. donc ya dinga aigun ware futa je ga im hangan e yama yange kan igo te ise im sigoro kan ga te ganda ga bai wala hankan gi man diadin kene doro sino ya dinga im keke tangam mai duko shi shi yake da doti matasa e ya adana shi wata wataran sai ya hau abone voici donc pour vous la toute dernière sortie de l'artiste Fenobi là nous étions en 2011 alors 2020 mesdames et messieurs voici pour vous BJ la toute dernière sortie de Phoenix pour faire plaisir à tous qui sont fans de l'artiste Phoenix Pheno. C'était votre rubrique Covid-19. L'artiste s'exprime. Hey. À l'instant, donc, Phoenix euh, Feno, euh, l'artiste euh, s'est exprimé en ce qui concerne la pandémie du Covid-19. Je reviens, camarade Albadé, tout à l'heure, avant la pause musicale. Namade Matkan Stilnichi, Namamokan Monsieur Matkanchi, to Université Kalora, Matkinano Haraka Goteda. Aron Aron Aron Wate, Wasapno Kure Aram Warangoga, Tonan de la Colisega wala matkinano matkinani himayum parce que dine me kolo kulsu su e me kolo kulo euh, euh, katibi manti zanka kay me université mo ko kolo rame donc wala euh, wadu kimno Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde pour changer les choses si on prend même cette situation de Covid si on veut changer cela apporter des solutions il faut l'éducation de bere sirbon wora ikun nersingati ing seno ersinga hayadu murai voilà pourquoi les universités qui sont les véritables centres de recherche, puisque normalement une université, elle est censée produire des solutions. Il y a des problèmes dans le pays, université no bore himagala sabu kundu kande solution Nous hein. no kan situation o ka e ne wat pas irsingu gore yakinir voilà pourquoi donc nous avons commencé à faire des réflexions. Déjà semaine passée, il Irteba déclaration. un gouvernement ou de Messeri Borede en se rectoré sim du fond qui ging utilisé quand on courait imité à distance. Et que Hayuno quand tant que Boré Goro on peut trouver des solutions. Première des propositions, université bobe gati ba ne da yarjar ga waga ya burkina cours, benin ya kulu isintin kuran li université fogo goni bifo ine étudiant kulu sam sambingi emailo ding numéro whatsapp et il va s'enregistrer au niveau de sa section donc l'enseignant va préparer son cours et il va envoyer le cours. Bon, quand on a des questions, ils vont poser au moins pour évacuer les cours théoriques. Donc tout ça, c'est des solutions. Il y a des pays où on utilise ce qu'on appelle le réseau local. Quand on manti dans internet faire no utiliser Orange, RTL, Télécom et Mais réseau quand université nous gars dans kan aga place nan go kul kwarara kan nan nyamera nan kul kan etudiant go aginga kapti system ay dun gono système bo ben gono ki gingi itilize la wufo ray go tele utiliser kan nan imte lycée collège e et tout ça solution fo mo kay gingi no primaire bo kan iki inge wo c'est vrai sing tele wala hay fo gono mais inge gingi dime matuno a travers leurs parents ou d'autres stratégies, en tout cas, qui peuvent aussi les permettre de pouvoir suivre aussi. Par exemple, pour l'université, hayakan bordo amine gwamna tom du borakul se ordinateur le téléphone. Digu du wodenga o me étudiant ngone kan sinda. Donc wodenga ndi agingu bori. Mais hay fo mo kan on doit se dire à l'impossible nul ne tenu. Souvent situation wora kan ka haya non seulement les plus puissants sont impuissants Mais qui kenna er kangti les pays pauvres aussi on a du mal et on doit voir ensemble chacun doit apporter un plus pour résoudre ce problème là on doit comprendre que les solutions qu'on va apporter ne seront pas des solutions qui vont marcher à 100% on ne peut pas amener un truc qui va marcher il y aura d'autres des sacrifices donc ayma la rebelle nous jeunesse plus président tono oh, jeune kango sa fimi fimbera matan mataji de mataji fonwarango chechig sam pour que niger trato oh, mais bay cap Merci. Euh, Tout à fait, on a pensé à ça. Mhm. Donc, euh, pour euh, ceux qui sont dans les, dans les villages et consorts, on a pensé à faire apprendre euh, les modules, les modules que l'enseignant va présenter. Donc, on va prendre les modules, on va se déplacer. On va dans chaque école, dans chaque lycée, collège et consorts, on dépose le module. On voit le proviseur ou le directeur, on lui donne. On fait le maximum de photocopies qu'il faut qui va les suffire. On, va d'abord chercher euh, leurs contacts, on les appelle, on leur demande le nombre de, candidats qu'ils ont et on fait les photocopies, on dépose. Qu'est-ce qu'ils vont faire à leur tour Ils vont appeler euh, les élèves à tour de rôle c'est-à-dire un par pour éviter euh, les rassemblements, ou bien ils peuvent même convoquer cinq élèves pour venir prendre les modules, 5, 10, je pense que c'est vraiment raisonnable. Dans les zones les plus reculées oui. Euh, de Niamey, dans les hameaux les plus reculés. On va revenir dans un instant. Conséquence de la pandémie du Covid-19 sur la suite de l'année académique, comment sauver l'année scolaire 2019-2020 eh Pour en parler, nous sommes aussi avec M. Isaka Oumarou. Monsieur Issa vous êtes euh, du CINESEB. Face à cette suspension des activités académiques, quels peuvent être selon vous les impacts les plus significatifs sur les élèves et étudiants Voilà, euh, Masalawo, masala wo irwo do har kambo ay jingaci hmm. zarmaino ne borga har gurgu jaw batuno to ir niger labu ir bore irman man har gurgu jaw batuno dorowo asabanda vraiment ir lokolo zahano ago lahani berira dabu yan wo ne mo kan yega kagate aran jinga ci aran ne habu hinka no indabu yega kanda habu hinka ga tonton ko ne irko hinna no go bay halisi yega kanda habu hinka ga tonton ya dinga akoy gite handu no ya ir niger la bu lokolo asihin handu fo dabu yon kota kota zam aga kandirse lahan bobo zam bi mal lokolo dabu albadana ki ingay wodo har kambo mutte note cawandi kay non ingay handu hinka muttiyante wodi bandano donc yani ga ba doro man ka lahani gono Irlo kolo yadi ga ir kai magar dori wone kanka aga hingite sabil kangana irga kai dir fata doro ora bora kullu fambe kai ir mu cerguna mbori ir mu salanga mbori ir mu kande hansayan hanno kangana watkir fata doro ora Irlo kolo am kai zama ina université nene ekolom kayala ekolom kay ne nom Kaykak. on va prendre une petite pause musicale mesdames et messieurs on écoute nos artistes sur le covid 19 corona virus dori ta yolo kanka corona virus ta andunya por nambe ago hazauti andunya la bibera asenda safari corona virus sanan wani dinet Abordons à présent les solutions alternatives éventuelles pour sauver l'école nigérienne. Pour donc finir cette émission, concrètement, comment va se passer la suite de l'année Albade, eh, Albadé en tant que premier concerné par tout ce qui se passe actuellement autour de la cessation des activités académiques, comment vous voyez l'évolution des choses et quelles pistes de solutions vous pourriez proposer à l'État La piste euh, de solution, d'abord, moi je demande à ce que l'État puisse réunir l'ensemble des acteurs. Ça, c'est la première des choses, que ce soit les enseignants, que ce soit les concernés, les étudiants, le ministère, on doit se réunir autour d'une table et arrêter quelque chose. Parce que faire cavalier seul ou réfléchir tout seul ne peut pas amener une solution. Deuxième des choses, c'est de réfléchir aujourd'hui par rapport même à la suppression des vacances puisque déjà actuellement, on peut dire que nous sommes dans les vacances. Donc, au cas où on arrive à finir cette question, on arrive à arrêter ce coronavirus, donc l'année doit continuer son cours. Autre chose aussi, c'est de voir les endroits, les facultés où on peut faire les cours en ligne. Déjà, on peut, il y a des applications Zoom, les WhatsApp et plein d'autres. On peut aujourd'hui partager ne serait-ce que les cours magistraux pour au moins les évacuer en attendant pour au moins avoir une sorte d'avancée à ce niveau. Ceux qui n'ont pas d'internet ou qui n'ont pas de téléphone, les camarades qui sont dans les groupes WhatsApp peuvent tirer le cours qui a été fait et les envoyer puisqu'on ne peut pas arrêter là à, se regarder comme ça, à perdre du temps. on peut réfléchir. On peut réfléchir. Alors, euh, oui. bon, moi, ma, proposition, elle est la suivante, c'est de vraiment faire euh, des émissions télécours et d'appeler euh, les enseignants de, dans chaque école pour euh, fournir les modules comme on fait à l'université. Souvent, les enseignants, ils font leurs modules et ils déposent. Ils n'ont qu'à faire leurs modules et déposer. C'est tout, c'est tout. Moi, c'est ma proposition. Donc, nous proposons au Olivier à kagirno à émission oh bon chronico mesdames et messieurs sur l'émission Tous à la Fada et tout de suite Olivier. Merci beaucoup grand frère. J'espère que tu vas bien et tu te protèges aussi. Olivier, je ne tousse pas, je ne tourne pas, j'ai pas la fièvre, donc euh, pour moi. en forme. Je suis en forme. Super. Le coronavirus qui a vu ses débuts en Chine en fin décembre 2019 dans la région de Wuhan est aujourd'hui devenu une pandémie qui sévit dans presque tous les pays du monde. Le Niger ne fait pas exception avec son premier cas enregistré le 19 mars 2020 à Niamey. Et depuis lors, les chiffres n'ont pas cessé de grimper. Alors, comment les populations utilisent la technologie en ces temps de période de Covid-19 C'est la grosse question de la soirée. Au Niger, comme dans plusieurs pays touchés, la gestion de la pandémie est associée à la technologie. Elle s'est invitée d'elle-même. Mais ici, concrètement comment la technologie arrive à aider les autorités à faire passer les messages de sensibilisation. À travers les réseaux sociaux, les messages de sensibilisation se multiplient. Des créateurs de contenu innovent et à travers des vidéos et de, sensibilisation, ils font passer les messages essentiels. Et ces messages sont faits dans plusieurs langues. Outre ces mesures de sensibilisation, un site internet a été créé également sous l'impulsion de l'Agence nigérienne de la société de l'information et je me suis intéressé à ce site. L'objectif est d'informer en temps réel la population. Docteur Jamila Ferdiani est l'une des médecins qui appuie l'initiative. Dans cette chronique, elle nous donne des détails. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est cette psychose qui est en train de s'installer vis-à-vis de la maladie, qui est due aux réseaux sociaux d'abord, qui est due au fait que l'information, la trouve partout, mais cette information, euh, elle n'est pas toujours euh, de source euh, crédible et euh, il faut pouvoir faire euh, le tri. Ce site tombe bien parce qu'il est officiel et toutes les données, en tout cas concernant la maladie au Niger, concernant le Covid, seront, seront sur ce site et c'est une source crédible. Alors, comme j'aime bien le dire, en cette période de coronavirus, on se protège et on s'adapte. Ça sera tout. Protégez-vous, prenez soin de vous. Merci, Mr. Olivier. On va se protéger, pas tous soucis. Je te vois déjà sur l'émission porter des gants et aussi euh, un masque. C'était la machine et le monde scolaire sur l'émission. Tout ça la fada. Hey!